D'accord. Si ci avez l'olou wax nga ko mais gis nga ñu bërki soulevé un scandale ancien dignitaire du régime boo xamante avant le 24 mars ñu que 1000 milliards de comptes. voilà tey 1000 milliards de comptes, la ñu mën a jàmbaaraamu tuuma ndaxte Amadou Ba moo fi premier ministre de 2022 ba 2024. D'ailleurs, ailleurs loolu sax man man gëwuma ko sax te bëriwul Sénégal ko gëm. parce que 1000 milliards premier ministre sañ na taxaw di wax loo xamante du non mais. mais. opposants, opposants, léegi maintenant dafay au pouvoir. man ne sais pas si vous avez xamee wax ko comment on peut trouver dans un compte 1000 milliards nga c'est le quart du budget du Sénégal nga xamante ni gars yi en matière de billets c'est 4 tonnes de billets mais loolu dafa ëpp man gëwuma ko. 4 tonnes la 4 tonnes. 200 tonnes 200 tonnes très bien les gens ont dit que c'est 200 tonnes de billets. Comment peut-on trouver dans un compte 200 tonnes de billets, 1000 milliards, un quart du budget du Sénégal Ça ne tient même pas là. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Mm-hmm. Soit, mais nous, actuellement, il est État. Il a tous les pouvoirs à sa disposition. Il a la police, la gendarmerie, les commissions rogatoires. Si ce compte existe, qu'il n'a qu'à ramener l'argent au profit des Sénégalais. Mais il faut de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, si vous avez un Djamangiri, vous avez un haute cour de justice pour me le Non, ça, c'est des faux problèmes. Donc, on va uniquement pour, pour, pour dribbler les Sénégalais. mais il a une majorité mm-hmm. la justice n'a pas besoin de majorité pour faire son travail il y a intellectuel il y y ci réew xam li xew la justice, c'est un pouvoir indépendant. Les juges n'ont pas besoin de majorité pour trancher cette, cette affaire-là. Il suffit que le ministre, le ministre, ministre de, la Justice, nous nomme Il suffit juste de se dire, nous au dans de justice, voilà, nous sommes dans le parquet financier, il suffit de les saisir, le gars, de fait ligue. On n'a pas. Nous commission rogatoire. Effectivement, là, ils le font mhm. uniquement pour dire mais ils n'ont pas besoin de majorité mhm. pour faire sortir cet argent-là. D'accord. C'est un faux débat. D'accord. Taï, Migi Diakhasakhalounini. Non, nous l'avons défendu Diakhasakhalounini, Batarnik 2020 le 24 mars ngeen ñak élection présidentielle mi ngi continuer di jaxassé xelu ni tay tey ban taxaway ngeen ci am jàmm ak pour indil askan bi lu leer ndaxte à part milliards yi y a na génn néna ben fonctionnaire bu ñu tabaxal ben kër 148 mètres carrés R plus 1 1 milliard 600 millions 1 milliard 600 millions, qui L plus 1. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est une brigue en diamant, un ciment en or. C'est une bonne question. Non, R plus 1, 148 m 2 à 1 milliard 600 millions. Mon cœur, si je veux évaluer, c'est à 200 millions. Le cœur, mon R plus 1, c'est 150 m 2 c'est 300 mètres carrés. Non, tant j'ai peur pour notre pays. Il y a des fois. Hmm. Parce que quand des dirigeants de haut niveau, dëkk ci déballe rek déballe rek déballe rek vraiment loolu c'est man c'est terrifiant département nag ñun fan lañ jëm ak Sénégal chaque jour nga génne benn débat parce que maintenant mun naa comprendre d'une part parce que quand tu n'as pas de programme quand tu n'as une offre sérieuse pour le Sénégal maintenant pour les attirer il faut nga def ay divagation mais loolu moom wax dëggal loolu sann cimpm loolu ni Sénégalais gëmuñu ko sax mhm. li ma lay wax nag mooy ñun li ñu ci def mooy mhm. ñun ñu ngi ci terrain bi d'ange voilà waaye affaire bi xaw na changé de comment waaw li ñu ngi rencontre léegi. Hmm. non ñu si bëri ñaan dañuy juumoon parce que li leen fal ñoom. Hmm. c'est passer sa coalition et les Sénégalais. Hmm. mais leur leur sympathie

pour mesurer quelqu'un Amour Ba boobu ñu daanu boo xoolee mitin nañu à Kaolack à Fouta partout au Sénégal dans Facebook, bu tuuru Abdoulaye en 2017 ba muy daanu boo son dernier meeting ici ci VDN bi donc ce c'est pas un baromètre fiable pour mesurer fi nga toll ci réew mi li koy firnde rek mooy élection 17 passé gars yi jox majorité absolue je dis ma soog a xam ne moom ñu koy mais actuellement mobilisation Sénégal on sait comment ça se passe tu donnes les gens de l'argent ils se mobilisent d'accord